forum forum, the forum forum, the forum, the forum forum, the forum, the forum forum, the forum, the forum forum, the forum, the forum forum, the forum, the forum the forum, the forum the forum, the forum forum, the forum district 18h de 15 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. Le studio Kalangou que vous écoutez grâce au réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger. Pareil également dans les localités d'Arlit, de Tirozérine, de Menesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbel et Saï. Le thème du forum de ce soir, c'est les réseaux sociaux au Niger. Quelle est la place de ces réseaux sociaux dans notre vie de tous les jours Sont-ils facilement accessibles Quel usage, quel avantage, quel inconvénient et quelle astuce pour une meilleure utilisation Autour de la table pour en discuter, nous avons comme invité Cédric Kalondi, journaliste international, formateur et spécialiste des questions des réseaux sociaux. Bonsoir à Cédric. Bonsoir. Merci d'être venu. Mohamed Mamadou, membre du groupe nigérien cyber citoyen. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Et Abdelaziz Abbas, président de l'Association de défense des droits des consommateurs des technologies de l'information et de la communication, des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie Actis. Bonsoir Abdelaziz. Bonsoir. bienvenue à tous. Ce soir, nous parlons des, réseaux sociaux, ces produits qui sont devenus partie intégrante de nos vies. C'est aussi le résultat du développement et de l'élargissement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. À l'ère de l'Internet, l'usage des réseaux sociaux croît à un rythme exponentiel. Au Niger, la la naissance des compagnies de téléphonie mobile publique et privée, offrant entre autres des services d'accès à Internet et accès à des tarifs variés facilite aux populations l'usage de ces réseaux sociaux. Même si le taux de pénétration d'Internet reste encore faible, des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, WhatsApp figurent parmi les réseaux sociaux qui connaissent un succès. Nous allons commencer avec vous, Monsieur Cédric Kalonji. Vous êtes journaliste international, je disais, formateur et spécialiste des questions des réseaux sociaux. Vous êtes ici à Niamey depuis quelques jours. Alors, je m'en vais vous demander de nous dire rapidement l'objet de votre présence ici à Niamey. En fait, je suis là pour euh, animer une série de sessions euh, de formation avec euh, des journalistes, mais aussi des acteurs de la société civile sur la prise en main et la prise en compte des réseaux sociaux pour la communication. Alors pour les journalistes, ça va être pour divulguer de l'information, pour informer leur population, pour aller à la rencontre de ces gens qui sont de plus en plus attirés par les réseaux sociaux. Et pour la société civile, c'est plus pour prendre en main ces outils, pour communiquer efficacement avec les populations euh, concernées. Donc c'est pour ça que je suis là, c'est pour la sessions de formation et merci pour euh, l'invitation. Alors, quel est le régal que vous portez sur le développement d'Internet, euh, notamment ici au Niger en particulier et d'une façon générale en Afrique je trouve que les choses évoluent très très vite. J'étais au Niger il y a quatre ans. Euh, on n'était pas au point euh, où on est aujourd'hui. Je suis arrivé ici, j'ai pris une carte SIM très très vite. J'ai pu me connecter à Internet à un débit très très correct. J'arrive à travailler. Il y a quatre ans, c'était une autre réalité. Ça coûtait très très cher. C'était très compliqué de se connecter. Euh, je me souviens avoir acheté les puces de tous les opérateurs à l'époque et ne pas avoir finalement réussi à, me connecter. Mais ce qui est le plus frappant, c'est de voir toute cette jeunesse qui est attiré par ces outils. Ce sont des outils, hein, avant, toute chose, on expliquera plus tard. Euh, les jeunes sont là-dedans parce que c'est très facile, mais aussi euh, de ma petite expérience, un peu pas seulement au Niger mais dans la région, euh, qu'est-ce qui attire la jeunesse sur les réseaux sociaux C'est le fait que les anciens n'y sont pas. Ça fait des espaces de libre expression qu'on ne trouve pas forcément à la maison dans la famille. Dans la famille, les jeunes doivent se taire, doivent répondre à, une certaine hiérarchie avec les anciens qui prennent les décisions. Sur les réseaux sociaux, c'est transversal, tout le monde est au même niveau. Les jeunes en raffolent parce qu'ils peuvent parler, ils peuvent échanger sans forcément la censure ou la présence des anciens pour leur dire ce qu'ils doivent faire. D'accord, nous allons revenir un peu en détail sur, ces questions. Euh, je m'en vais euh, vers notre deuxième invité, Mohamed Mamadou. Vous êtes euh, membre du groupe nigérien Cyber Citoyen. Présentez-nous rapidement, c'est quoi ce groupe Il est constitué de qui et qui Et quel est l'objectif principal visé par ce groupe nigérien Cyber Citoyen Merci pour cette invitation. Euh, je m'en vais directement à dire Nigériens cybercitoyens, euh, c'est des, euh, des, des, Nigériens, des jeunes Nigériens, c'est tout le monde, c'est des Nigériens qui se sont retrouvés pour lutter un peu contre l'insalubrité et l'incivisme au Niger. Euh, tout le monde fait partie de, Niger Cyber, Citoyen. Tous ceux qui sont, nous sommes plus actifs sur euh, les groupes WhatsApp et Facebook, Twitter aussi, Instagram. Nous sommes plus, euh, nos, activistes sont plus là-dessus. C'est pour cela que nous nous sommes dit, ben alors, il faut se baser sur les, réseaux sociaux pour pouvoir bien véhiculer les messages. Donc je pense bien qu'en ce moment, nous remercions le, bon Dieu parce que nous avons à peu près 12 750 membres. Et je, ça évolue. Nous, nous arrivons à envoyer des messages forts. Et je pense bien que ça. Ces 12 000 adhérents sont tous basés à Niamey ou un peu partout dans toutes les régions Dans, tout, dans, tout, le monde, dans tout le monde. Nous avons des, des, activistes qui sont au Canada, euh, aux États-Unis, qui envoient même leurs contributions. Et donc je pense que c'est dans tout le monde. D'accord. Abdelaziz Abbas, vous, vous êtes euh, le président de l'Association de défense euh, des droits des consommateurs de des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie Actis. Euh, rappelez-nous rapidement, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas la mission principale de, de cette association Actis. merci beaucoup. la mission principale de ACTIS Niger, la défense des, <clears throat> des droits des consommateurs, euh, la promotion des outils des télécommunications et euh, parfois l'appui technique euh, à tous les consommateurs et à tous ceux, tous ceux qui en ont besoin dans vraiment le développement, l'intégration, la pénétration de l'outil TIC. Alors, si nous devons rentrer dans le vif du sujet, nous parlons euh, d'accessibilité euh, de, l'Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le Nigérien a accès à Internet sans difficulté Sinon, quels sont les principaux obstacles qui, qui limiteraient cette accessibilité L'accessibilité à Internet, je dirais oui. Euh, mais il y a un problème majeur qui, qui est là, qui freine tout, euh, c'est la qualité de service. Euh, aujourd'hui, on peut avoir Internet partout. même, c'est-à-dire au plus profond du Niger, il y a des opérateurs qui sont présents, mais malheureusement, c'est la qualité des service qui reste à désirer. Donc sur ce plan, nous pouvons dire que... Qu'est-ce que vous indexez clairement dans la qualité euh, euh, quand, on parle euh, de, qualité de service, vous savez qu'aujourd'hui, euh, le, service Internet, euh, c'est-à-dire euh, Internet doit sa, réputation grâce à sa rapidité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère où il faut attendre 10 minutes pour ouvrir une page ou, ou 20 minutes pour télécharger un petit fichier. Vous voyez, aujourd'hui, Internet doit sa performance à sa rapidité et à sa disponibilité. Donc, oh, le service reste à désirer quand même. On nous parle de 3G, mais j'ai toujours euh, euh, mis en cause ces 3G parce que les consommateurs ne sont pas du tout contents euh, quant à, la génération vendue. sur le marché. Alors nous allons y revenir justement, nous allons donc suivre ensemble cette question d'accessibilité, d'utilisation d'Internet. Notre reporter Hamadou Moumouni a rencontré quelques jeunes consommateurs que nous allons, je vous propose de suivre. Bon, vraiment, les réseaux sociaux, ça m'avantage beaucoup parce que je suis 100% nigérien, mais mes parents, ils sont au Togo, à Lomé. J'arrive à les contacter chaque temps, chaque fois. Même ce matin même, je les ai appelés sur WhatsApp. J'ai causé même tout de suite avec un ami qui est en Afrique du Sud sur Facebook. J'utilise WhatsApp, euh, Facebook pour me connecter avec les gens. Je me euh, écris des messages avec la famille, quoi. Échanger avec des différents amis, copines. Alors, qu'est-ce que ça vous coûte euh, par jour dans la semaine Minimum 1500 par semaine. C'est cher C'est très cher, il faut le dire quand même. Surtout avec la réduction des mégas qu'ils ont fait là, c'est très cher. Mais demain, mais est-ce que vous pouvez vous imaginer sans réseaux sociaux quelle, serait votre situation Waouh, ça, ça serait quand même désastreux là, puisque c'est quelque chose qui me rapproche de ma famille, tout le monde n'a pas besoin de me déplacer. Avec Facebook, on peut avoir euh, des informations, l'actualité quotidienne. Mm. Mais c'est un coût, qu'est-ce que ça vous coûte Surtout, ça coûte beaucoup. Et les tarifications des mégas sont un peu taxables beaucoup sur nous, parce que avec 500 euh, francs, avoir euh, 150 mégas par jour et 350 mégas la nuit là, c'est un peu difficile pour RTL. Et Orange aussi, c'est un peu coûté parce que juste des 100 mégas à 500 ou autre. Comment vous vous imaginez Vous vous imaginez sans réseaux sociaux, sans Facebook, sans WhatsApp Bon, sans réseaux sociaux, sans Facebook, sans WhatsApp, je pense qu'il y a un handicap. Alors, je dire euh, donc, je reviens toujours à vous. Vous, étiez en train d'évoquer de, donc ces questions de, qualité. Et il y a cette question de coût ici qui, a été évoquée par, par les consommateurs. Alors, euh, qu'est-ce que euh, vous avez à, dire par rapport à, cette question de, coût qui, vous, vous avez souligné le fait que la qualité laisse à désirer. de l'autre côté, il y a ce coût euh, dont se plaignent les, consommateurs. Je m'adresse à vous, Abdelaziz Abbas, euh, président d'Actis. Oui, effectivement, euh, les gens trouvent que le coût est très élevé. C'est parce que la qualité n'est pas vraiment bonne. Si aujourd'hui, aujourd'hui, si on me dit que avec 500 francs, j'ai 100 mégas et que je puisse régler mon problème à l'instant, ou si vraiment les 100 mégas peuvent me faire beaucoup de choses, euh, là, euh, je, n'allais pas me plaindre, mais aujourd'hui, on vous offre euh, des mégas. D'abord, vous ne savez pas sur quelles, quelles sont les conditions et les bases d'utilisation. Vous ne savez pas, vous êtes tarifié comment, le forfait illimité, comment est-ce qu'il est défini même à l'international. Vous voyez, il y a tous ces problèmes qui sont là. Et aujourd'hui, quand euh, vous, vous, vous qu'est-ce que vous, faites à, ces niveaux Qu'est-ce que vous faites parce que vous êtes défenseur quand même des consommateurs Oui, mais effectivement, nous, euh, nous, notre objectif, c'est de dénoncer. Nous écrivons à qui de droit, qui est l'ARTP, et nous faisions euh, copie parfois à ces opérateurs pour attirer leur attention, pour leur dire écoutez, euh, nous avons vraiment des perturbations et surtout que euh, la loi est claire là-dessus sur la qualité de service. Dans, dans, dans, dans leur cahier de charge, il a été très clair que aucun service ne doit être euh, euh, de mauvaise qualité euh, pour plus de 48 heures par an. Et vous voyez qu'il y a des opérateurs qui consomment ça même en une semaine. Alors, j'ai Mohamed Maman, euh, de Nigérien Cybercitoyen, est-ce que vous partagez l'avis de, ces jeunes consommateurs et celui d'Abdelaziz sur la qualité, sur le coût d'Internet <coughs> Bien sûr, bien sûr, je partage euh, les idées de M. Ablaziz, effectivement, euh, le coût reste, la qualité reste à désirer. La qualité reste à désirer, comme je disais tantôt, euh, tu as 200 mégas, oui, mais quand, de, quand le débit est bon, quand tu arrives à l'instant, à l'instant trouver ce que tu cherches, il n'y a pas de problème. Mais le problème, tu payes 500 francs. Avant, c'était une semaine. Tu payes 500 francs aujourd'hui avec 200 mégas. Et les 200 mégas encore n'arrivent pas à te faire ce que tu veux. Tu, pour ouvrir une page, tu dois attendre quelques secondes. Tu vois que les mégas sont bons sans le savoir. Pourquoi Et tu vois, donc en, réalité, tes 200 mégas, même tes 500 francs, ne te donnent même pas tes 200 mégas parce que ça te donne encore moins que ces 200 mégas. Oui. Est-ce que, est-ce que ce, cet état de faits euh, euh, freine un peu les activités de euh, oh. euh, vos activités, le Niger, cyber-citoyen Bien sûr, bien sûr, parce que bien sûr parce que parfois nous nous, nous, faisons des, des, des actions instantanées nous faisons des actions instantanées. Il suffit juste qu'un membre actif de, de, Citoyen voit une situation qui n'est pas bien. Aussitôt qu'il faut prendre une photo, aussitôt il faut envoyer sur le groupe. Je te dis qu'on a 12 750 membres. Donc quand tu envoies une photo à l'instant, il y a 12 750 personnes qui sont au courant de ce qui se passe. voyez un peu. Et quand tu l'envoies et que ça part pas, tu attends, attends, et qu'il faut la nuit pour que ça puisse partir. La nuit, euh, tout le monde, pratiquement tout le monde dort. Hein il faut ne pas être au Niger pour ne pas dormir la nuit. je voyais un peu. Donc ça freine en fait. Euh, alors, je me tourne vers vous, Monsieur Kalanji, vous qui avez un regard un peu euh, extérieur sur, sur ces questions. Euh, une comparaison du Niger par rapport aux autres pays en termes d'accessibilité, en termes de coût, de qualité par rapport aux autres pays de la région, c'est vrai que les taux de pénétration euh, d'Internet au Niger, qui sont de l'ordre de 2%, c'est ça, euh, la population, sont très très faibles. Euh, et puis en termes de débit, le fait d'être dans un pays qui est enclavé, ça complique quand même pas mal les choses. On n'a pas accès à la mer, donc on doit passer par d'autres pays pour récupérer la fibre optique quand il y en a une. Donc ça complique les choses et c'est ça qui est peut-être à la base aussi de toutes ces perturbations-là, parce qu'il y a une dépendance vis-à-vis d'opérateurs d'autres pays. Donc, je pense que ça fait un certain nombre de complications. Mais de ma petite expérience dans d'autres pays, euh, lorsque la machine est lancée, parce qu'il faut une demande et il faut une offre. Aujourd'hui, il y a une demande une forte demande. J'ai vu euh, dans les rues de Niamey, euh, en me baladant, des jeunes gens qui s'agglutinent autour des rares endroits où il y a un Wi-Fi ouvert. Ils y vont pour se connecter. les problèmes de sécurité, ils s'en foutent. Ils disent, voilà, c'est gratuit, j'y vais. Il y a une vraie demande. Il faut maintenant que cette demande soit euh, comblés euh, par les services des, des, opérateurs. Et c'est vrai, euh, ce n'est pas qu'ici, hein, si ça peut vous rassurer, ce n'est pas qu'ici que la, euh, la qualité laisse à désirer. Euh, il y a plein de pays euh, dans la région ou même sur le continent qui se plaignent du fait que les services ne sont pas bons. Et justement, je suis très content, je suis rassuré de, de voir qu'il y a des Nigériens, il y a des associations qui se forment pour réclamer cette qualité de service. Et ce n'est que qu'en se battant là-dessus que les opérateurs vont investir parce que souvent ce qui bloque le développement ou les débits et tout ça, c'est l'investissement. Il n'y a pas d'investissement. On nous amène assez souvent du matériel d'occasion qui vient d'ailleurs. Euh, qui date un tout petit peu et ça ne répond pas vraiment aux vrais besoins. Il y a des pays d'Afrique où on vend la 4G alors que la 3G n'est même pas encore installée. Alors, euh, nous allons passer à autre. C'est tous ces, réseaux sociaux, c'est aussi de, l'argent, c'est de l'économie. Et nous savons que depuis euh, l'arrivée du, boom des téléphonies, des téléphonies mobiles, les cybercafés qui ont l'habitude de, recevoir beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en difficulté. Ce matin, nous avons pu rencontrer quelques-uns d'entre eux que je vous, je vous propose de suivre. Vraiment, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis ces derniers temps. Bon, ça fait maintenant à peu près 2, 3 ans ou 4 ans maintenant que les ne pas. Tout ce qu'on gagne dedans, peut-être c'est les impressions, le petit scannage. Et vraiment, les gens ne se soucient même pas de venir dans les cyber pour faire leur petit. Se passe sur les portables et les tablettes. Concrètement, en termes de fréquentation, par exemple, on va prendre 2005. Vous avez combien de personnes par, par jour oh, En 2005, vraiment, vraiment, je sais même pas comment je vais t'expliquer ça. C'était il y a tellement d'influence. C'était plein. Souvent, les gens, ils viennent, ils attendent. Dès que l'autre quitte sur la machine, il vient. Dès qu'il quitte, un autre vient. Vraiment, dans la journée, on peut avoir euh, à peu près 50, 50 personnes comme ça. Mm-hmm. Oui. Qui viennent vraiment naviguer, faire leur travail, imprimer, scanner des choses et envoyer. Vraiment. Et aujourd'hui? Ah, mais aujourd'hui, vraiment, Aujourd'hui, aujourd'hui, je t'ai dit, je suis vers, maintenant je viens de monter vers 14 euh, heures. Je te jure, il n'y avait personne. Depuis que je suis rentré, même personne n'est revenu. Oui. Personne. finalement, avec le temps, qu'est-ce qui peut arriver Vous allez fermer ah oui, ah oui, ah oui, avec le temps, sinon vraiment que si c'est pas les petites, même les impressions ne peuvent pas nous garder. Parce que les impressions en 100 francs ou bien les escanages qu'on gagne à 500 francs ne peut pas faire l'affaire. Tout ce qu'on fait, c'est vendre les petits articles dans, nos, dans notre cyber, les clés USB. C'est comme si c'est une boutique qu'on a, c'est pas un cyber. <laughs> Alors, vous venez de suivre donc avec nous ce gérant de cyber, Abdelaziz euh, Abbas Dactis. Euh, c'est avec ses réseaux sociaux, on s'achemine vers euh, peut-être la euh, je ne sais pas, la euh, disparition de quelques cyber, en tout cas en termes d'offres d'Internet non, euh, en tout cas, ou de perte d'une certaine frange de, la clientèle Non, au fait, ce n'est pas le fait <clears throat> de l'apparition des, OTT qui fait que les. Qu'est-ce que vous appelez les OTT Les OTT, ce sont les, les, plateformes, bon, les applications des, réseaux sociaux, c'est-à-dire, ce sont, c'est OTT, c'est en anglais, over de top on appelle. Et ce n'est pas leur apparition qui a fait disparaître les cyber, mais c'est la portabilité de l'Internet qui a fait disparaître les, cybercafés. Moi, je me rappelle, dans les années 2008, euh, j'étais aussi promoteur de cyber. Euh, j'avais un débit très, très, très, très haut, si je peux le permettre, en ce moment, parce que j'avais du 512 dans mon cyber, avec à peu près une quinzaine de machines. Et je vous dis, euh, depuis ce moment, nous avons eu des problèmes. Parce que euh, aujourd'hui, euh, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez faire dans un cyber, euh, vous pouvez le faire sur votre téléphone mobile. Et d'où on a quitté du fait que Internet soit sur place, on l'a transformé en Internet mobile. mobile. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment la plus grande révolution et ça devient encore discret. Parce que euh, euh, avant, vous ne pouvez pas euh, faire tout ce que vous voulez sur, votre, sur, une machine publique. Et aujourd'hui, avec du fait que Internet soit portable, vous avez des les applications qui sont développées dans le domaine, c'est-à-dire du portatif. Aujourd'hui, tout ce que vous pouvez trouver en, desktop, vous le trouvez en, portable. Donc, ce qui fait que les cyber ont disparu. Euh, voilà un peu. Merci. Euh, Monsieur Kalandi, euh, le, fait que qu'Internet soit mobile, soit, soit, soit donc partout, soit portable, est aussi important, même si ça peut faire disparaître tout évolue. Hein. C'est que nous vivons aujourd'hui, je pense que ça a été vécu en Europe, aux États-Unis. Il y a eu euh, l'âge d'or des cybercafés, euh, ces endroits où on pouvait aller pour se connecter parce que tout le monde ne pouvait pas se permettre d'avoir Internet à la maison. Et puis ensuite, Internet s'est démocratisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans un pays comme la France ou la Belgique, euh, dans tout foyer, on peut se permettre d'avoir Internet. Et aujourd'hui, euh, comme il a été dit tout à l'heure, le Internet devient mobile. Tout le monde avec son téléphone portable peut accéder à un certain nombre de services. Donc c'est une évolution. Et je pense que le rôle des cybercafés change aussi pour ceux qui vont survivre. C'est tout à fait une évolution normale. Euh, aujourd'hui, les gens ont besoin de leur téléphone portable au réveil pour regarder de la vidéo, pour prendre des photos, pour aller sur Facebook, pour aller sur des sites internet. Euh, moi-même, euh, avant de sortir de mon lit, je regarde ce qui se passe dans le monde entier. Et les usages bougent vers ça. C'est très très difficile, même c'est là où je trouve ça passionnant, de suivre l'évolution de ces technologies, parce qu'on ne sait même pas ce qui va se passer dans 10 ans, où est-ce qu'on va être, si ce sera le téléphone ou si ce sera autre chose. Mohamed Mamadou, Nigérien cyber-citoyen, euh, quelques mots ajoutés sur, euh, sur cette question de, de mobilité d'Internet euh, oui, effectivement. En rapport avec les cybercafés. Effectivement, la, fréquentation des, des, cybercafés, c'est bien normal que ça diminue. C'est ce que Blasis vient de dire. Tout ce que tu peux euh, trouver de l'autre côté, tu l'as ça sur ton, sur ton portable. Mais euh, tout de même, tout de même euh, je peux me dire que euh, ça ne peut pas amener ces cyber à, à fermer totalement. Ça, ça dépend, ça dépend de, de, de, de l'endroit où se trouve le cyber. Vous voyez un peu, si, tu, si vous vous trouvez dans, dans un quartier favorisé, où tout le monde euh, utilise le net, où il y a beaucoup de, de, de personnes qui bossent, je me dis que le, cyber ne va pas aller parce qu'il y a des choses, malgré que tu peux faire sur, le, sur ton phone, il se faut vraiment euh, l'écran. L'écran est grand devant toi pour pouvoir faire mieux que ce que tu fais sur, sur ton phone. Donc, euh, il y, a beaucoup de choses. Quand il faut tirer, quand il faut faire des, des, exposés, il faut vraiment le cyber. Il faut vraiment le cyber. Un dernier mot, Cédric. Oui, je voulais juste revenir sur le fait euh, que le téléphone facilite aussi d'une certaine manière l'accès, parce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché des téléphones à moins de 100 000 francs CFA, à 50 000 qui permettent de se connecter à Internet, là où avant l'investissement que représentait l'ouverture d'un cybercafé euh, était considérable, parce qu'il faut acheter les ordinateurs, il faut acheter des webcams, il faut acheter tout ce qui va avec. On a tout ça dans un petit euh, dans un petit appareil, qui nous permet de tout faire. Moi, je scanne mes documents avec mon téléphone. J'ai vu plein de gens le faire. Euh, conversation téléphonique, pas besoin d'une webcam extérieure. Avec mon téléphone, je peux discuter. Euh, tout ça change. C'est normal que ça change. Donc, c'est pour ça que je parlais pas de disparition dans l'immédiat de cybercafé, même si je pense personnellement que ça va arriver. Mais je parlais de reconfiguration. Il y a de plus en plus de cybercafés maintenant qui vous proposent un Wi-Fi ouvert vous pouvez venir avec votre machine et vous connecter, avec votre téléphone et vous connecter. Cette réorientation, en fait, qui, va changer. Alors, si on parlait de, euh, de, l'utilisation, de l'usage même des réseaux sociaux, euh, donc les différents avantages, euh, quel autre avantage euh, pouvez-vous nous citer euh, donc en termes de, en tout cas, d'avantages qu'on peut en tirer euh, de ces réseaux sociaux les avantages. Oui, les avantages avant <laughs> d'arriver aux, inconvénients qui ne manquent pas. Voilà. Le positif, c'est que ça permet déjà de se connecter. Euh, avant de venir au Niger, je vais aller regarder un tout petit peu s'il y a des gens que je connais. J'annonce que je suis là, je retrouve des, vieux amis qui sont là au même moment. Sur quel réseau Sur Facebook, Facebook. Avant de venir au Niger, je mets sur mon Facebook que je vais au Niger. Donc je retrouve des amis que je n'aurais pas forcément appelé au téléphone euh, euh, pour, leur dire que je suis là. Euh, ah coucou, tu es là Ok, est-ce qu'on peut se voir Donc je retrouve parfois des gens que je n'ai pas vus depuis deux trois ans, euh, même plus, dans ces pays-là. Ça permet de communiquer un peu plus facilement. Ça permet de partager de l'information beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, même les médias dits traditionnels, radio, télévision, presse écrite, passent par ces réseaux-là pour toucher un peu, un peu plus de monde. On est dans un pays aussi grand que le Niger, Comment est-ce qu'on fait pour toucher tout le monde Ok, la radio fonctionne, mais ça ne fonctionne pas forcément pour tout le monde. Au même moment, on a des problèmes d'électricité, on en a parlé tout à l'heure dans le journal. Euh, ce sont des problèmes qu'on peut tout à fait contourner avec ces réseaux-là. Et puis, comme je le disais tout au début, euh, les réseaux sociaux permettent un mode de discussion où tout le monde est à égalité. Donc, euh, alors que dans nos sociétés, c'est très normé, c'est très hiérarchisé. Euh, autour d'un repas de famille, les jeunes se la ferment et ce sont les anciens qui prennent les décisions. Aujourd'hui, les jeunes gens, la jeunesse, et pas seulement, découvrent ce mode de communication où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de loi. On discute, on partage ce qu'on veut, on palabre, et puis avec euh, tous les risques que cela apporte également. Euh, Monsieur Abdelaziz Abbas, d'autres euh, avantages de ces réseaux sociaux, Facebook, <coughs> WhatsApp, Twitter, les plus euh, utilisés quand même ici au Niger Bon, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde dans un autre monde que beaucoup n'ont pas d'abord accepté le principe de vie de ce monde. C'est un monde virtuel qu'on appelle le cyberespace. Euh, qui a ses propres règles, qui a ses propres euh, interrogations, qui a ses propres avantages et inconvénients. Et nous sommes dans un monde virtuel aujourd'hui, et où euh, l'autre monde physique risque de ne plus avoir sa place. Aujourd'hui, le réseau social, si je peux me le permettre, c'est comme... Là, est-ce que vous n'êtes pas en train de glisser dans les inconvénients Non, je ne glisse pas dans les inconvénients. je dis, aujourd'hui, le, réseau social, c'est comme aujourd'hui une fada Aujourd'hui, vous savez, une fada, les gens se retrouvent, vous quittez de chez vous à 2 kilomètres, à 4 minutes, à 10 minutes, on se rencontre et on discute, on prend du thé, etc., on cause. Mais euh, écoutez, si nous, euh, nous transversons ce monde physique en un monde virtuel, c'est ce qui devient un réseau social. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être à Londres, vous pouvez être euh, au Niger, vous pouvez être à Banquilaré, vous pouvez être à Sokodé au Togo, vous pouvez être à Malanville au Bénin. Euh, euh, euh, dès, que vous vous rencontrez dans votre même FADA, qu'on appelle le réseau social, vous vous retrouvez et vous discutez. Donc, vous voyez, euh, c'est un monde virtuel malgré, malgré euh, les, milliers de kilomètres qu'il y a entre vous. Euh, on a cassé ce qu'on appelle la fracture numérique parce que vous n'avez plus besoin d'être physiquement l'un à côté l'un de l'autre pour vraiment vivre le monde que vous vivez. Parce qu'il y a même des réseaux sociaux qui vous offrent ce qu'on appelle la conférence, c'est-à-dire qui vous permet de vous voir, qui vous permet de causer comme si vous étiez, euh, euh, euh, c'est-à-dire proche l'un de l'autre. Mais c'est un monde virtuel. Donc, pour l'accepter vraiment, il faut être dans ce monde pour le comprendre. Mohamed Maman, vous qui êtes membre du, groupe nigérien cybercitoyen, euh, Abbas Ablaziz l'a dit, les réseaux sociaux, c'est une fada, c'est un monde virtuel. J'imagine que vous ne direz pas le contraire. je partage vraiment l'avis de, de, de M. Abbas. C'est parce que nous nous, nous, retrouvons euh, les réseaux sociaux on fait en sorte que euh, notre, euh, notre, activisme, notre activisme évolue. Ça, ça fait en sorte que quand, quand, quand nous, nous, décidons de faire une action, on n'a pas besoin de, de, passer à la télé pour envoyer des messages, on n'a pas besoin des affiches, on n'a pas besoin de tout ça. Il suffit d'un simple message sur, sur notre, notre groupe Facebook. C'est parti, tout le monde est au courant. Et les 12 000. Les 12 750 sont tous au courant. Et en plus, euh, je reviens un peu à ce que euh, monsieur. Euh, Cédric, euh, disait tout à l'heure. Euh, l'avantage, l'avantage de, de, de, des réseaux, c'est que aussi comme il a dit, quand tu discutes euh, les enfants, les jeunes, les jeunes, il y a beaucoup de choses que les jeunes doivent savoir aujourd'hui. Il y a beaucoup de, sujets tabous dans les familles et que normalement le monde a évolué. Le monde a évolué à tel, point que ces jeunes doivent le savoir. Ça les permet de vivre, ça les permet d'affronter la réalité, la, la, cruauté de la vie de dehors. Parce que quand tu sors de chez toi, c'est vraiment une vie, une autre vie cruelle en fait que tu rencontres. Or, il y a beaucoup de choses que, l'enfant ne peut pas savoir et qu'il doit le savoir. Mais quand tu es sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il te suffit tu, de savoir quelque chose, il te suffit de mettre ça sur Facebook et tu as un, monsieur de 90 ans qui se met à l'aise pour te répondre, qui se met à l'aise pour t'expliquer. Oh, peut-être ton papa, il a juste 60 ans, il va pas te répondre. Pour vous, le meilleur, pour, vous, le meilleur réseau, c'est Facebook, le meilleur euh, réseau social Oui, ben, je dirais oui, parce que euh, pour l'instant, ceux, qui sont euh, à ma portée, je pense que c'est Facebook qui est plus Kalonji, vous voulez euh, euh, ajouter quelque chose Je voulais juste ajouter les opportunités qu'offrent ces réseaux sociaux-là. Aujourd'hui, par exemple, en termes de formation, euh, j'encadre moi-même une formation avec des Africains qui se trouvent dans 15 pays différents. On se retrouve sur Facebook, on a un groupe, on se retrouve, je fais mon cours, mes étudiants me posent des questions, je leur réponds. Ils n'ont pas besoin de payer un billet d'avion très cher, ils n'ont pas besoin de payer des frais de scolarité euh, très très élevés. On se retrouve euh, une fois par semaine, euh, je fais mon cours, ils peuvent me poser des questions live, les autres étudiants peuvent entendre les questions des uns et des autres et on a des outils pour partager. Il y a tout plein de, de fonctionnalités qui facilitent la vie à l'utilisateur, à condition, bien évidemment, de bien les utiliser. Alors justement, nous allons donc aborder cette question tout n'est pas en euh, or euh, euh, sur, ces réseaux sociaux. Quelles sont, vu votre expérience de, ces outils, quels sont les, les, les, principaux inconvénients de l'utilisation de, ces réseaux ah, on est africain, hein. on sait comment ça fonctionne, non Ça Radio trottoir, radio, trottoir, rumeurs, accusations sans preuve, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Cet usage, je ne sais pas, peut-être pour vous c'est différent, hein. pour mes frères qui sont autour de cette table c'est peut-être différent, mais moi j'ai grandi dans une famille où je n'avais pas le droit de dire ce que je voulais. On ne pouvait pas trop. Euh, autour de la table, c'était une grosse dictature avec papa président fondateur, maman premier ministre, et puis vous, vous êtes là, vous êtes les petits sujets, dans la cour, vous êtes tranquille là, vous ne pouvez rien dire. On découvre subitement des plateformes sur lesquelles on peut dire ce qu'on veut. Si on n'a pas été éduqué à la prise de parole, c'est très très compliqué. Et je vois par exemple un des défauts que je trouve avec pas mal d'Africains sur les réseaux sociaux, c'est l'injure facile. On se fâche très très vite. On n'argumente pas forcément parce qu'on n'a pas l'habitude. Et il y a quelqu'un qui a dit un jour que euh, euh, euh, la beauté d'Internet, c'est qu'on apprend en marchant. On découvre ces choses, on apprend à les utiliser et on commet à la fois comme un enfant qui apprend à marcher, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe et c'est comme ça qu'il apprend. C'est pour ça que moi j'ai fait de cela mon, mon, mon, combat, c'est de revenir aux fondamentaux, parler aux jeunes en leur montrant où sont les avantages, où sont les désavantages, qu'est-ce qu'ils doivent prendre comme précaution pour bien utiliser et tirer profit de ces outils-là, parce que ça peut être un couteau à double tranchant. Alors, Abdelaziz euh, Abbas, <coughs> entre autres inconvénients, euh, il vient de euh. souligner cet aspect de, ces réseaux euh, euh, pour, toute, invention euh, sur cette terre, il y a des avantages et des inconvénients. Mais les inconvénients, euh, excusez-moi du terme, je me dirais qu'il est, il est, il est question d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, Facebook, euh, même, pas Facebook seulement, vous avez plusieurs réseaux sociaux, mais plus, plus développés et plus accessibles les uns que les autres, et ça dépend. Vous avez plusieurs types de réseaux sociaux. Quand je me rends compte que seulement c'est sur Facebook, WhatsApp, Viber qu'on trouve, euh, euh, euh, c'est-à-dire beaucoup d'inconvénients. Parce que tout simplement, euh, écoutez, il l'a dit, M. Cédric l'a dit, nous sommes en Afrique. La prise de parole. Et nous sommes en Afrique. Et ce qui me ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est dans un nouveau monde que nous sommes. Par exemple, aujourd'hui, une famille bien éduquée, vous ne verrez aucun de ses enfants venir sur euh, la toile euh, dire des absurdités, dire des, des, des, raconter des bêtises ou injurer telle personne ou telle personne. C'est une question d'éducation. Donc, les réseaux sociaux ont des inconvénients, mais qui sont euh, euh, vraiment d'ordre euh, éducationnel, qui ne dépendent pas vraiment du réseau en tant que lui. si vous voulez, je vous fais un petit truc sur Facebook qui a été créé, c'est dans une université. C'est pour échanger des programmes entre étudiants que ça a été créé. Donc, euh, aucunement, vous ne verrez nulle part où il est dit que c'est pour insulter le papa de X ou injurier la maman de tel ou, ou, ou, porter des, des, propos diffamatoires, etc., etc. Non, les réseaux sociaux ont été créés à l'origine pour rendre service. Bon, maintenant, euh, vous avez, euh, comme en informatique, il y a des hackers et des, des euh, les, vous avez des des hackers. Et vous avez des. Oh, oh, notamment ces, derniers, ces dernières années, il y a aussi le recrutement de, de, jeunes djihadistes à travers les réseaux sociaux. Il y a l'extrémisme violent qui est, qui est promu. C'est pour ça que je dis que c'est un problème d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas utiliser les réseaux sociaux pour nuire à quelqu'un. Si, euh, évidemment, euh, on peut, euh, on a l'eau c'est, on dit que l'eau est source de vie, mais d'autres personnes utilisent l'eau pour nuire à des personnes, vous voyez. Donc, en, toute chose, en toute chose créée sur Terre, il y a, la partie nuisible, la, bonne partie, mais les gens l'utilisent pour nuire euh, euh, euh, à, beaucoup de choses, et surtout eux que j'appelle les pirates. Mohamed Maman, vous êtes utilisateur de ces réseaux. Lequel des, inconvénients vous avez l'habitude de rencontrer que voulais partager avec nous euh, je reviens toujours dans ce monde de jeunes. Euh, comme, comme il a dit, en fait, tout est relatif aussi, c'est vrai, à l'éducation. Mais de mon côté, euh, je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Ce que nous appelons inconvénients, moi personnellement, je pense que ce n'est pas tout à fait des inconvénients. Je prends un peu l'exemple. par exemple, les jeunes, à travers les réseaux, utilisent, euh, utilisent certains sites pour avoir des, vous m'excusez, des sites pornographiques. OK et tout de même, on euh, est en Afrique, comme on le dit, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas bon. OK Mais moi, je ne pense pas. Je pense pas parce que euh, je dis que l'enfant doit connaître doit connaître ce monde-là, doit connaître ce que c'est que euh, euh, euh, le sexe, doit connaître ce que c'est que les rapports, les rapports en fait entre, parenthèses. Hein, Mais ça, c'est pas sur les réseaux sociaux, ça, c'est vraiment sur d'autres sites. Non, sur les réseaux sociaux, les gens s'envoient des photos, des images, des vidéos, la majeure partie pense que c'est inconvénient. Mais moi je ne pense pas. Les rumeurs qu'on utilise au fait pour insulter qui que ce soit. Tout cela, je pense, moi, je ne le pense pas comme inconvénient. Pourquoi Parce que euh, euh, euh quand on prend un, un, je sais pas moi, un leader, un leader qui, qui fait, qui, qui, bosse et qui fait autre chose, ok, mais à travers, seul à travers ces réseaux sociaux, qu'il saura ce qu'il fait, seul à, travers ses réseaux sociaux, qu'il saura est-ce que les gens sont avec lui ou pas. Il faut, il faut des gens pour l'insulter, il faut des gens pour l'apprécier. Voyez un peu. Vous voulez ajouter quelque chose, Cédric euh, oui, il y a, il y a euh, avantages et, inconvénients. Hein. Euh, il y a euh, des questions d'éducation, dire aux gens ce qu'ils peuvent trouver de bien sur ces réseaux-là, leur expliquer comment ça fonctionne. Il y a pas mal d'erreurs de jeunesse. Hein. Quand on découvre, on trouve ça extraordinaire, on y va. Mais je pense aussi, comme, comme l'a dit un des intervenants, que les erreurs ou les inconvénients sont mineurs par rapport aux avantages, par rapport à toutes les forces que cela peut, peut nous apporter. Alors, je, je, voudrais quand même que vous nous, vous nous dites, proposer quand même aux utilisateurs de ces, réseaux sociaux. Donc, euh, quelle astuce euh, utiliser euh, pour, une meilleure utilisation de, ces réseaux Déjà faire une bonne distinction entre sa vie privée et sa vie publique. je vois souvent des gens prendre, je pose souvent la question <laughs> même dans mes formations, est-ce que vous iriez dans un marché avec votre photo imprimée en grand en montrant aux gens Ou la photo de votre bébé qui vient de naître, vous l'imprimez, vous allez dans un marché, vous l'affichez Non. Pourquoi vous le faites sur Facebook moi, par exemple, sur Facebook, j'ai 3000 amis. Qui, quel être humain bien constitué pourrait entretenir un réseau de 3000 amis dans la vraie vie c'est impossible. Donc quand euh, ma femme accouche ou quand mon bébé euh, est malade, ça ne vaut pas la peine de le photographier de le mettre sur les réseaux sociaux. C'est un marché, c'est pire qu'un marché, il y a 3000 personnes. Donc il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre. Par exemple, je donne un autre exemple très concret. Il y a une attaque terroriste à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sortent avec leur téléphone, qui font des photos, qui balancent sur les réseaux sociaux. Ils font des photos des gens dans une posture très très dégradante, dans une posture où personne n'aimerait être vu. Ils balancent sur les réseaux sociaux. Une bonne dame découvre le cadavre de son mari sur Facebook comme ça, totalement par hasard. C'est un manque d'éthique. Après, les règles sont là. Ce sont des règles de bon sens. Quelqu'un a dit ici que les réseaux sociaux, c'était la projection de la vraie vie. Dans la vraie vie, on avait des arnaques. On les retrouve sur les réseaux sociaux. On avait des rumeurs dans la vraie vie. On les retrouve sur les réseaux sociaux. C'est vraiment de tirer profit. Euh, euh, rapidement, est-ce que, les publications qu'on fait peuvent nous rattraper, vous ah, pensez Bien sûr. Bien sûr. Déjà, ce que je vais dire aux auditeurs, c'est de taper sur Google leur nom vous cherchez google.fr, vous tapez votre nom dedans et vous allez voir toutes les informations qu'on trouve sur vous. Et même quand je parle à des professionnels des médias, à des journalistes, ils sont surpris par ce qu'ils trouvent sur Google quand ils tapent leur propre nom, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Et on trouve des surprises. Photos de soirées arrosées, photos qu'on n'a pas forcément envie que les autres voient, et il faut faire attention à ne pas les mettre euh, sur la place publique. Mohamed euh, Mamadou, euh, Nigérien, cyber-citoyen. Euh, rapidement, dites-nous la vision que vous, à votre niveau, vous avez dans, ce monde virtuel des réseaux sociaux. <coughs> vous êtes 12 000 dans un, dans un groupe. En tout cas, nous, à notre niveau, nous pensons que les, réseaux sociaux nous avantagent beaucoup nous trouvons plus d'avantages euh, à travers ces réseaux. comme il l'a dit, nous conseillons euh, plus euh, de, professionnalisme dans l'utilisation de, ces réseaux. je ne peux que dire que nous souhaitons peut-être discuter après avec lui pour avoir encore plus de, choses sur, ces réseaux parce qu'on ne finit jamais d'apprendre sur les réseaux et nous aider quand même à, faire comment ce qu'on peut pour encore agrandir notre réseau et à, plus, à mieux communiquer sur, sur, les réseaux. Alors pour les utilisateurs, les jeunes utilisateurs, est-ce que vous, vous avez des conseils particuliers pour, pour arriver quand même à, à réunions, pour ne pas aller dans tous les sens, ne pas seulement aller euh, publier que des photos oui. puisque nous avons eu la chance d'avoir euh, cette technologie à notre portée, je ne peux que demander à tous ces jeunes euh, de, l'utiliser à bon escient, que ça, que ça profite plus qu'il y ait plus d'inconvénients. Je ne peux que leur dire, ben, écoutez, le petit temps que tu as pour, délirer, vaut mieux le faire pour, avoir euh, plus d'avantages dans, ta vie. Donc, je les conseille de, mieux, de, mieux l'utiliser. Et, ben, voilà. Abdelaziz Abbas Actis. Euh, <clears throat> bon, moi je me dis que comme dans la vie de, de, tous les jours, parce que moi je préfère toujours comparer les deux vies, aujourd'hui nous sommes dans une vie vraiment physique hein, où nous avons des, des, des règles, euh, euh nous avons euh, euh une organisation. De la même manière, dans le monde virtuel, il y a une organisation. donc aujourd'hui, tout ce que nous avons à faire, nous devrons un peu euh, réajuster euh, le, droit classique euh, et le droit virtuel, que ce soit au niveau de la vie physique ou virtuelle, nous devons être corrects. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la vie courante, vous n'êtes pas amis à n'importe qui pour avoir des, des, des, des, amis, vous avez un certain nombre de critères que vous posez. Par exemple, quand je vois un tel injurier publiquement euh, euh un autre ou mal parler à ses parents, je me dis que non, physiquement, tu peux pas être mon ami. Donc, il, est de même sur un réseau virtuel. Il faut faire très attention, il faut être sélectif, ne pas accepter, euh, euh c'est-à-dire euh, n'importe qui comme ami ne pas euh, adhérer à n'importe quel genre de réseau, parce que moi, j'ai entendu euh, sur des réseaux, euh, par exemple sur un réseau sur WhatsApp, j'ai entendu des, des, des, propos que vraiment, ma foi, je ne souhaite plus réentendre. Et, et, tout ça, vous voyez, quand quand on me met dans ce genre de groupe, je me, je me retire automatiquement. Et quand vous, vous m'envoyez une demande d'amis, euh, je, rentre dans votre euh, profil, je, vois euh, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites. D'accepter, avant, d'accepter. Donc il faut vraiment faire attention, il faut être vraiment sélectif. Cédric Kalonji, rapidement une petite conclusion autour de, cette question des réseaux sociaux. Nous avons vu qu'il y a des avantages, des inconvénients. Je trouve déjà que c'est très passionnant d'en parler tel qu'on en parle aujourd'hui, de voir ce qui se fait. Ça évolue très très très vite. Internet, c'est une mine d'or. On peut aller s'informer, on peut aller apprendre, on se connecte aux autres, on regarde les, bons exemples d'ailleurs et on les copie, on les personnalise par rapport à sa réalité. Euh, ce sont des outils qui nous offrent, surtout euh, euh, nous en Afrique, qui sommes partis avec un léger retard par rapport à ces, technologies-là. On a des outils pour apprendre, on a des outils pour communiquer, on a des outils pour échanger. À nous de les développer, à nous d'échanger, euh, de changer le monde grâce à ces outils qui existent et qui nous permettent des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mohamed Mamadou. Euh, je dirais la même chose. Je dirais la même chose. Euh, euh, profitons, vraiment de, cette, technologie. Profitons de, cette technologie et je suis convaincu que ça va changer. Il y aura beaucoup d'améliorations plus tard, en fait. Merci, merci à tous pour, toutes ces précisions, pour toutes ces analyses. Nous sommes arrivés au terme du forum de ce soir. J'étais avec Cédric Kalonji, journaliste international, formateur et spécialiste des questions des réseaux sociaux. Mohamed Mamadou, membre du groupe nigérien cyber citoyen qui regroupe, euh, il a dit, 12 700, 500 personnes. Abdelaziz Abbas, président de l'Association de défense des droits des consommateurs des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie Actis. Je vous donne euh, rendez-vous tout de même euh, rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour le forum de la presse qui sera présenté par Amadou Momoni. Bonsoir.